Ça entre dans le cadre des journées sociales et environnementales de Sénélec. Donc nous avons lancé le 11 septembre 2019 C'est école de formation qui nga xam à travers des partenariats donc école nous nga xam ne ñoom formé yi Sénélec ou ay stagiaires au niveau de Sénélec donc ñun dañu bëggoon ubbi faire des bunt Nous ñu gën des xam suñu métier yi pour nous intéresser sur Sénélec parce que Sénélec c'est une entreprise nationale qui fait un effort important dans le cadre de la formation professionnelle parce que chaque année nous avons des centaines et des centaines de stagiaires mais nous avons bëgg sortir L'importance de cette journée aujourd'hui nous a permis de présenter aux étudiants euh, la centrale c trois, aussi de les expliquer le processus de production, c'est-à-dire comment faire pour produire de l'électricité. Ça nous a permis aussi de, les faire découvrir ce qu'on peut appeler les hommes de l'homme. Parce qu'au moment où les Sénégalais fêtent leur tabaski, les fêtes, il y a des gens qui sont sous la chaleur pour leur faire plaisir. À cause d'un seul credo, la satisfaction du client. On a vu qu'on est en train de produire 40 MW. 40 mégawatts, ça veut dire que 40 000 personnes sont en train d'être desservies, servies par cette centrale-là. Donc d'où l'importance de cette centrale.